su fekkee ne staff de communication bu Bassirou Diomaye Faye bi nii lañ bëgg a commencer on les attend. Euh, El Malik, euh, secrétaire euh, national de la communication de Pasteur, c'est vrai qu'on est au sein de la République, de l'État. Euh, aussi, à ben retour. Il ne m'a pas appelé. Mhm. Citizen ne m'a pas appelé. Quelqu'un d'autre ne m'a pas appelé. Nous, nous gérons sa communication. Je sais que nous sommes Parce que si nous sommes, nous sommes je ne vais pas les appeler mais ils xam nañ ne duñ ma woo su fekkee ne ñii ñoo n'a gérer communication Bassirou Diomaye Faye je plains pour l'actuel président de la République ça je le dis. mu ngi jàpp ne une la wala ben oubli non non pour man non euh, yenn yi du njuumte manque de considération là. Mhm. ou bien su fait que ñoom dañoo sont dans un combat boo xam ne quels sont les mobiles ou bien les motivations. nan ma ko wax. nan ma wax parce que man nag bu dee rek. Mhm. je suis prêt à tout.